édition chaque édition Yangifi. c'est pas parce que Wakam de que mais parce que le nga à aar tambour du gué du jigéen juy liggéey waaw gis sa et chaque fois nii mashallah. Il yann yal les la yàlla jàppale yow borom baax la waaw sunu mbokk nga itam wax également le représentant de du directeur du monument de la renaissance africaine Lamine Merci. Merci d'être là. Lamine, euh, qui est un garçon merveilleux, voilà, avec qui nous avons l'occasion de travailler quand il était encore à la direction des arts, hein, qui a produit des résultats extraordinaires. Merci beaucoup, Lamine, d'être de notre côté. Mais je voudrais réserver une mention spéciale à la délégation marocaine. Waouh, la délégation marocaine sachant que le Maroc, c'est le pays invité d'honneur, et la RDC, voilà, nos amis de, des armées congolais qui sont ici, et vous savez que le Congo, c'est le pays hôte, hein, hôte de marque. Je salue également toute la délégation de la Côte d'Ivoire. Mais un personnage qui m'a fasciné, qui m'a fasciné c'est le roi du thé. Le Niger. Le Niger. Se lève. Ouais, le Niger. Alors, rien qu'à travers son accoutrement, hein, nous voyons en lui un personnage magnifique. Il nous explique un peu l'histoire du thé, d'une certaine manière. Lui dit, dit que le thé, c'est pas seulement que de la boisson, c'est pas, pas seulement que de l'eau, du sucre, mais c'est un esprit. C'est une philosophie. Merci beaucoup. Merci mon cher ami. Euh, tous les récipiendaires de saluons aussi. Alors, et euh, mention spéciale, mention spéciale à notre parrain Daouda Dior. est-ce qu'il est Daouda voilà, Daouda jógal taxaw et sa délégation ah il arrive ils arrivent hein, d'accord donc Daouda c'est le président de la fédération des associations sénégalaises au Mali Du Gobarit voilà nous saluons qui Dramé nous le il est toujours là aussi Djibi merci nous avons réalisé beaucoup de choses ensemble nous avons organisé euh, des tournées à travers les pays mais tournée des commerciales. merci Djiby Dramé merci les frères Guissé samay xarit samay le voilà alors nous saluons également je ne sais pas si elle est là la directrice de du hypermarché euh, exclusive elle n'est pas encore là bon j'espère qu'elle va nous rejoindre très bientôt alors nous allons donc continuer la soirée hmm? Encore deux morceaux avec euh, euh, les frères Guissé. Ensuite, Jimmy Dramé. Accompagné avec les Guissé. Ah Côte Garma, Tatulé Lolo. Fabira, merci beaucoup. Mais je voudrais avant juste les deux morceaux. Inviter Fabira ici. Oui, un mot Fabira. Fabira, s'il vous plaît. Un mot. On l'applaudit très fort. Oui, regardez-la comment elle est jolie. Comme elle est jolie. Fabira de Gotaro. Mais c'est une brave dame, hein? parce que je n'imaginais pas qu'elle euh, pouvait réussir en tel challenge. Merci beaucoup. Hein? Ligue de venir. Ligue de Frodé. Franchement, merci. Waouh. Merci. Nous avons été ensemble à, la foire de Dakar avec le DG. C'est sûr qu'on a une leçon de foire de Dakar. merci beaucoup waaw nga ñëw rek nuyoo ñaar on va chanter pour toi d'abord. ah. fexeel ba buñ la ko nettali. ay waay. foire internationale des produits africains foire internationale des produits africains Fabira

tu Alhamdulillah. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais d'abord euh, saluer toutes les autorités ici présentes, en commençant par le Djaraf, jan qui est ici présent parmi nous et qui a été toujours présent durant ces moments forts de la Foire internationale des produits africains. Je salue la présence du directeur des PME, représentant du ministère du Commerce. Je salue mon frère Monsieur le ministre conseiller de Monsieur Abdoulaye Racine Senghor, le président du comité scientifique et le PCA du musée des civilisations noires. Je salue Monsieur Omar Sam, directeur des organisations et des projets auprès du ministère de la Femme, membre du comité scientifique. je salue et je dis bien mention spéciale au pays invité d'honneur, le Royaume du Maroc. Mention spéciale à la délégation qui nous est venue de la RDC, de l'OCC. Merci beaucoup et je dis bien merci Nabino. Et euh, je salue nos partenaires de tous les jours de tout le temps. L'ambassade de la Côte d'Ivoire à travers le général Sékou L'ambassade de la RDC qui nous a accompagnés depuis le début jusqu'ici. Et enfin, je salue nos partenaires étatiques, l'ADPM, le COSEC, e la PDA, la CPEX, et la Chambre du commerce. Mention spéciale à nos braves dames, les membres de la plateforme Baïsawar, les chefs d'entreprise et les lauréats. Mais je voudrais réserver, je voudrais réserver toutes nos salutations et remerciements au roi du thé, Monsieur al Mon frère et ami, merci beaucoup. Merci et merci. Viva Création pour cette belle tenue. Création pour cette belle tenue. Merci beaucoup. D'avoir des esclaves qui jouent aussi bien la musique. <laughs> C'est pas donné à tout le monde. Je voudrais commencer par les saluer. Saluer les frères Guissé, saluer les artistes. Parce que si la, la FIPA est la Foire internationale des produits africains, un des premiers produits africains, c'est la musique. C'est la culture, ce sont les arts. Parce que les arts premiers sont partis d'ici. Parce que les civilisations, en fait, sont partis d'ici. Je voudrais saluer tout le monde, euh, le Diaraf, le ministre conseiller Bambafal, maire de la Médina, tous nos amis, monsieur messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les invités, les pays invités d'honneur et invités de marque, hôtes de marque, le Maroc et la RDC. Merci. Merci, merci encore une fois nos, nos, parents et frères qui c'est que je salue très fortement. Je pense que c'est il faut notre fierté nationale. Je me rappelle étant étudiant, je fais partie des fans hein, donc de ceux qui vous écoutent. En tout cas, merci, voilà, vous avez, vous Merci beaucoup. Euh, permettez-moi tout d'abord, au nom du du ministre du Commerce, de la Consommation et des Paiements, M. Abdoukarim Fofana, rendre un vivant hommage à la, à la promotrice de la Foire internationale des produits africains, Mme Fatou Dramé, communément connue sous le nom et la belle appellation Faibira, pour l'excellent travail qu'elle vient d'abattre. Et je dois dire rien que pour la régularité dans l'organisation de cette foire internationale, elle mérite les applaudissements de toute la salle. Qui est un parrain, un partenaire. Oui, vous l'avez dit. Euh, beaucoup. Mesdames et messieurs, chers invités, euh, Monsieur Racine Senghor, notre ami, Djaraf, Mangrezier, directeur Donc vous me permettrez, au nom des populations dakaroises, d'encourager et de féliciter notre sœur Fabira. De par son engagement et de par sa détermination, elle a cru qu'à travers cette foire, on peut assurer au moins l'autosuffisance vestimentaire et alimentaire du continent africain. Donc Fabira, vous méritez des hommages au nom du peuple. Je vous remercie. Merci. corazón. Je suis sénégalais 100%. Musa.

உடனே உடனே

léebu lañu ay léebu lañu ay léebu lañu ay eh, def sa lu la war xam na lu la war soo deful lu la war dee nga naan ñuus du yasar yasar sa yasar ban ban ban ban merci merci beaucoup Thank you. Voilà, merci mesdames et messieurs sous vos applaudissements. Merci. Merci bien. Voilà, merci. C'est toujours poliment. Euh, la mine, la mine, c'est pas terminé. Voilà. Et le, le prophète. Félicitations. Nous appelons le représentant de l'ADPM. Nous appelons Diaraf. Waouh, Réunion Diaragno Karobi, acteur 3 ADPM. le trophée trophée BITAM Geraf. Wow. Voilà. voilà ADPME voilà vous prenez votre trophée aussi voilà merci jaraaf ana bien bi va baa ngi nii merci c'est moi, c'est moi le paradis. Voilà le cadeau. Voilà le cadeau. On se met en face voilà et le trophée du Pador. Fabira, je pense que, comme on dit, euh, vous avez mis les 6 les 60 pour que ça fasse les 66. Fabira, je suis touché, je suis honoré parce que la personne qui m'étend les trophées porte euh, à lui, dans le cœur et dans le sang, tout l'esprit que moi j'essaye de vulgariser. Ne serait-ce cet esprit de la Teranga, cet esprit des valeurs africaines, cet esprit de notre identité, cet esprit de notre culture, cet esprit de notre âme Merci beaucoup, professeur. Merci, merci. Merci, Fabira. Merci beaucoup. Merci et félicitations. Merci beaucoup. Alors, cadeau aussi. Yërëm fara wadu ñaag dara wadu ñaag xumutu sawul xey. Madame Diawar mi ci jam jami. Yaay jaama madame Barda yaay ndey bi teewal su ñaay. Jàmbaar of KNC activité. Dem na ba bitim réew. Voilà, merci. Euh, merci, bravo. vous. Merci beaucoup. Et le prochain. Yaïdia BTP. Yaïdia BTP à nouveau. Yaïdia BTP, Fubador de l'entreprise la plus performante.

ko jaamu kontaan naa ci taxawaay bii nga xam ne ñëpp ñëw nañ taxaw fii Paap jërëjëf Wakaam kontaan na askan wi kontaan nañ ñëpp kontaan nañ directeur Senghor yaa fi jëkk a ñëw yaatal ci diggante ñaari mamel yi fi li fi ne ku ko xam doo ko bàyyi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mënuma tudd ñëpp fabira ñëwal première édition la woon nga fekk ma sama kër ñëw toog ñu wax nga dem yàlla ya mooy buur yàlla ya moo man yàlla ya moo am yàlla mooy joxe ci kaw ci kanam bu ragal dara ñu ngi sa ginnaaw incha allah Voilà, bah, merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Samba, ah, on prie encore de rester avec nous. C'est pour toi. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Et bien voilà le cadeau. Nous allons dévoiler. 啊，对了。 leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di dalal jàmm gan yi fi teeru a ah, di remercier bu baax a baax a baax ma madame Fabira ndax yow yaa ñu may opportunité boo xam ne dinañ ñëw présenter suñuy produit fii te wax dëgg yàlla dañ naan bu lëkk lekkee olom na ko gërëmee cooy waaye ñun yow la ñuy sant yow la ñuy gërëm ndax dañ ñoo fital dañ ñoo dooleel ndax tey jii ay jigéen lañu mais gën nga ñoo won ne tey jii jigéen lu góor mën rek jigéen war na koo mën ah encore une fois Fabira merci bañ a téye kàddu gi lu bëri ndax toogaay bi dafa yàgg ñu ngi lay remercier ñu ngi lay remercier am na commencement waaye amul fu muy yem waaw équipe Bay Sawaar yëpp ñu ngi koy ñu ngi leen di remercier waaw di leen ñaanal daal yal na yàlla gën a yokk taxawaay bi gën leen a dëgëral au nom du kii Kër Massar yëpp daal ah ba Ibu Ibu Ibu Saw suñu suñu suñu loolu tamit ñu ngi koy remercier merci beaucoup daal ñu ngi remercier ñëpp merci من حس البيت نزيل ونعين البيت نزيل ونحن الطريق نزيل على زينا على زينا زينا على nous l'avons fait promouvoir l'artisanat promouvoir la culture sénégalaise Aduna di dox di dox di dox ba mu ubbi télé ren mu woma ma ma sœur Dina couvrir sa événement bi yépp té lajuma la ci dina ba indi samay employé ñu ñëw jàppale la topal ba événement bi du ump kenn vive VFTV vive sama sœur ñu une brave dame ma plus que ça, ma plus que ça. wala xolé ci net bi sax ba muy wax ma plus que sœur la remercier et mention spéciale à VFTV kon benn morceau rek pour VF VF VF VF VF VF TV eh TV VF TV eh ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg ma ne VF neexulee naw ma ne VF neexulee naw sa dam bi dam sa bi dam sa bi dam sa ki dam taw reste ki membre bay sa waar saa sunu comité euh, ma ci bëgg a tudd Elimane mbay suñu papa suñu nijaay suñu xarit suñu confident suñu euh, conseil ñi ngi lay remercier du fond du cœur Elimane day daw si ñun guddi ak bëccëg te du sonn du tàyyi Elimane xoolul ne moo mag Elimane xoolul ne mooy suñu nijaay Elimane xoolul dara ba une di du matin te mu yor ak kii famille wam kon Elimane Mbaye ñu lay remercier ñu ngi remercier ñaari jéegam yi di ngoone ngoone ñëwal fii ñëwal ñëwal ñëwal <laughs> Elimane dafa disponible Elimane du mer Elimane saa yu Fatima waxee ma ngay xool ca bëtam la ko neex mu di ko ko defal Elimane fu ne man moom ak Fatima yàlla jàmmam yàgg Elimane ñu ngi moom ba 3 heures du matin. di boo waram deux galons yi di monsieur Mamadou Diop suñu càmmiñ Diop foo nekk ana magu xale yi ana Mamadou Diop Diop logistique. FIFA mënul am Sadio ndax mooy dox ci logistique bi bàyyi njabootam bàyyi ñaari galon yi borom ñaari galon Jaba juba jab Jaba juba jab belajar dari samam. Mana belajar dari samam? Dia borong. Dia jing jing, jing jing jing jing. Baca sisa. Baca sisa. sëgi sëgi waaw waaw wala si borom wakaam borom monument de la renaissance africaine